Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu qui sont relayés par 46 radios partenaires sur l'ensemble du pays. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Le forum de ce soir du studio Kalangu s'intéresse à la production et à la commercialisation de l'oignon au Niger, défi et perspectiva. De l'indépendance à nos jours, la production de l'oignon a connu une croissance importante. Aussi, la production annuelle est passée de 170 000 tonnes dans les années 1990 à environ 500 000 tonnes de nos jours selon le réseau des chambres de l'agriculture RECA. Le Niger est deuxième dans les rangs des plus grands producteurs d'oignons d'Afrique de l'Ouest et s'arroge la place du plus grand exportateur de la sous-région. La commercialisation de l'oignon connaît une grande affluence en cette période et permet à bon nombre de producteurs de réaliser de bons chiffres d'affaires. C'est donc pour comprendre comment se fait la production et la commercialisation de l'oignon, ainsi que les profits tirés et les contraintes que nous réalisons ce forum. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Monsieur Isaka Abdul Kadri, président du comptoir de Niamey. Bonsoir, Monsieur Isaka. Bonsoir, madame. Mustafa Kadri Sertin Abzin, président de l'Observatoire régional de l'Oignon, Afrique de l'Ouest et du Centre. Bonsoir, Monsieur Mustafa Kadri. Madame. Nous avons donc bien voulu la participation du ministère du Commerce, mais pour des raisons indépendantes donc de leur volonté, le ministère n'a pas répondu à notre invitation. Je suis Fatih Zakari à la présentation de ce forum. Je commence avec euh, Mustafa Kadri Sarkin Abzin, euh, président de l'Observatoire régional de l'Oignon, Afrique de l'Ouest et centrale. Quelles sont les régions dans lesquelles on cultive l'oignon au Niger Oui, euh, l'oignon est cultivé dans toutes les régions du Niger. Mhm. Particulièrement, vous avez le, euh, violet de Galmi mhm. qui est cultivé dans la région de Tawa. Mhm. Euh, sinon, vous avez le blanc de Soumarana euh, à Maradi, et vous avez le blanc de Gotei à Telaberi, vous avez le blanc de Soukoutan mhm. euh, à Douchi, donc euh, euh, dans la région de, de Dosso. Et quelle est la production à l'échelle nationale Globalement, le Niger produit 1 million de tonnes mhm. par an en 2019-2020. Mhm. C'est des sources de la FAO. Donc, nous ne consommons que 120 euh, 000 tonnes et nous exportons que 140 000 tonnes. Mhm. Donc vous vous rendez compte qu'il y a près de 60% de la production qui pourrit et qu'on jette. Mhm. Issa Kadri, président du comptoir à Niamey, pourquoi la création de telles structures Ok, bonjour madame, merci. Mhm. et c'est pour faciliter la tâche aux importateurs qui importent de, d'oignons au Niger jusqu'au Ghana, et Bénin mhm. et Burkina, donc un peu partout. Mhm. Donc euh, c'est pour ça qu'on a créé une instruction de, de faire une... Euh, surtout de faire une comptoir ici à Niamey. Mhm. Et ça veut dire une comptoir, c'est là où que le commerçant peut venir, les peut venir, mhm. donc euh, pour faire leur chargement et pour amener dans leur pays qui vont vendre leurs marchandises. Mhm. Et le comptoir a été créé euh, depuis quand et Le comptoir, ça a été diré, mais avant on est dans un informel, mais maintenant, grâce au président Mustafa Kadri, euh, nous a trouvé un endroit ah. qui est bien sécurisé. Et, puis, il y a des gens qui sont permanents. Mhm. Si, par exemple, il y a un souci, mhm. donc euh, il y a des gens que tu peux contacter n'importe quelle heure mhm. pour gérer ta situation. Donc, euh, nous, on peut dire notre qu'on a vient de faire, ça n'a pas duré, ça fait à peu près maintenant deux à trois mois. Mais avant, il y a ça. Mais quand les autres font ça avant, donc euh, les gens sont en train de faire ça dans l'informel, donc n'est euh, c'est pas bien organisé. Mhm. Mais Alhamdulillah, maintenant, grâce à Mustafa, tout est bien installé et Inch'Allah, les gens sont commencés de aimer euh, le comptoir. Kadri Serkin Abzin, vous êtes le président de l'Observatoire régional de l'Oignon, Afrique de l'Ouest et centrale. Pourquoi la création d'une telle structure et quelle est donc la mission assignée de cette euh, structure oui, donc euh, comme vous le constatez, avec une perte de près de 600 000 tonnes que les paysans perdent, mhm. parce que c'est les paysans qui perdent mm. les 600 000 tonnes, mm. il fallait que notre structure cherche d'abord à se structurer des coopératives en passant par euh, les unions de coopératives au niveau des communes euh, rurales. Et ces communes rurales sont euh, regroupées dans des fédérations au niveau des départements. Mhm. Ces fédérations sont réunis au niveau des confédérations dans une région donnée, mhm. sur les huit régions, puisque même Niamey a cette confédération de mhm. euh, des producteurs qui mhm. regroupe les producteurs, les transporteurs, les transformatrices, euh, puisqu'il y en a. On transforme aussi l'oignon. Donc, nous sommes dit que ici au Niger, si nous sommes structurés, il faut aller au-delà, aller suivre nos oignons. C'est pour cela que nous avons organiser des points focaux au niveau de chaque euh, capitale d'Afrique. Donc il y a 22 pays de CEMAC et de, euh, la CDAO hein, et, du MOA. Hein. Donc les, ces 22 pays-là sont, euh, si vous voulez, regroupés dans ce que nous appelons l'Observatoire régional des mhm. en Afrique de l'Ouest et du Centre, mhm. qui observe le développement de l'oignon, c'est-à-dire la production, la qualité de la production mm-hmm. et la, la, euh, la, commercialisation. les prix mm-hmm. surtout, mm-hmm. qui sont décidés normalement au niveau des, des comptoirs. Puisque à Tawa, nous avons une dizaine de comptoirs. Donc chaque fédération doit avoir son comptoir. Hein, nous venons d'ouvrir en même temps les cinq comptoirs dans la région de Tawa mhm. et un comptoir ici à Niamey. Ça nous fait donc euh, dix comptoirs qui mhm. marchent, mhm. qui sont euh, censés regrouper les, paysans hein, euh, en même temps que les acheteurs, c'est-à-dire les commerçants, et les exportateurs qui exportent, les transitaires, tout ça là pour parler le même langage, hein, pour euh, vraiment exporter l'oignon dans de bonnes conditions. Et de l'autre côté, nous avons des points focaux qui reçoivent la marchandise et qui sont chargés d'acheter, de distribuer dans leur pays donc voilà, en gros, en ramassie, hmm. c'est ce que représente l'Observatoire régional de l'Oignon en Afrique de l'Ouest et du Centre. Hmm. Ça fait combien de temps qu'existe euh, l'Observatoire L'Observatoire existe depuis 2005. Depuis 2005. Donc ça fait une, 16, euh, ans environ hmm. que cet observatoire-là existe. Tout à l'heure, euh, Mustafa Abdelkadri, vous avez parlé donc des variétés d'oignons cultivées au Niger. Quelles sont les méthodes utilisées pour la conservation des variétés d'oignons Oui, c'est ça même le grand hic, c'est ce qui nous fait perdre les 60%. Mhm. Nous sommes en train de chercher. Mhm. Puisque présentement, l'oignon est conservé traditionnellement, mhm. c'est-à-dire dans des huttes. Et les huttes, on ne peut pas conserver l'oignon plus de 90 jours. Dès que l'oignon fait 90 jours, euh, on a une perte de, 60%, comme je vous le mm-hmm. disais. Mm. Donc, nous sommes en train de vouloir monter eh, une société qui va construire des magasins et qui va stocker ces oignons et les vendre au, moment, c'est-à-dire réguler le marché. Donc nous sommes en train de voir comment organiser cette société-là qu'on appelle Sotraco. Sotraco, euh, mm. ça fait 4 ou 5 ans que nous sommes en train de la mettre mm-hmm. en marche. Mm-hmm. et nous essayons euh, c'est que c'est très difficile parce que les paysans seuls ils ne peuvent pas organiser une société de commercialisation et de transformation de quand on sait que le coût, pas moins de 11 milliards de francs CFA. Donc, pour ce faire, il faut un gros capital. Il faut la participation de tout un chacun, c'est-à-dire les acteurs de la filière oignon. Mhm. Et même, pourquoi pas, les autres opérateurs économiques. Et maintenant, l'État a fait ce qu'il peut. Mhm. C'est-à-dire l'État nous a donné l'autorisation de créer cette euh, société. Mhm. on a un registre de commerce. Maintenant, ce qui nous manque, vraiment, c'est le capital. Donc, euh, je profite de votre micro mhm. pour demander à tout un chacun qui veut participer à ce capital de venir parce que vraiment l'État nous a accompagnés il nous a donné des lettres de garantie pour dire qu'il euh, veut que cette société-là soit créée. Mm. Nous, nous pensons qu'une fois la société créée, donc on va produire dans les normes de qualité, mm. on va produire euh, la quantité, en tout cas nécessaire, les 1 million de tonnes-là. Aucune bulbe ne sera jetée. Elle sera conservée dans des magasins, elle sera euh, commercialisée dans le monde entier parce que nous avons des débouchés, nous avons des moyens de faire partir. Par exemple, il y a les transitaires, il y a les, comment dirais-je, les frettes mhm. hein, aériennes parce que euh, même euh, récemment, la DHL nous a promis qu'elle peut mettre un avion mhm. hein, pour transporter l'oignon. Et nous sommes en, discussion avec eux. Mhm. Hein, ils nous ont proposé un euro un kilo. Vous vous rendez compte, un kilo, un euro, mhm. toute capitale d'Afrique et même Paris et Bruxelles. Mhm. Donc nous sommes en train de discuter si, si cela est, est, fait. Mhm. L'oignon aujourd'hui ne coûte que 40 francs le kilo, environ 40 francs le kilo, ou même moins, 20, francs je vais dire, parce que le, sac ne fait pas 20 000. D'accord, euh, Kadri, avant donc euh, de parler sur cette euh, question des prix, je euh, vais vers et Isaka Abdul Kadri, président du comptoir à l'or violé. C'est le surnom donné à l'oignon violet de Galmi. Pourquoi donc cette appellation Violet de Galmi, donc cette appellation de violet de Galmi, ça c'est un truc que ça prend longtemps, c'est pas aujourd'hui. Voilà. Monsieur Kadri, est-ce que vous avez euh, quelque chose à ajouter Oui, j'ai quelque chose à ajouter parce que le violet de Gelmi, c'est un nom qui dure euh, longtemps, mhm. de longtemps parce que ça, ça va dans les années 1900. Vous voyez, donc euh, c'est une variété qui est cultivée uniquement en à, à Galmi. Mhm. dans la région de, Tawa. Mhm. Donc, euh, il y a des anciens qui nous ont raconté comment euh, euh, cette variété mhm. est rentrée à Galmi. Et elle est d'une grande qualité, le violet de Galmi. Oui, le violet de Galmi, tout le monde le cherche parce que qu'il est vraiment d'une qualité extraordinaire parce que vu sa qualité de consommation et de santé, je ne pense pas dans le monde s'il y a un noyau de qualité qui peut remplacer le violet de Galmi. Mhm. Donc euh, c'est pour cela que je vous dis que le violet de Galmi est, nigérien, mhm. parce que nous avons eu le label, mhm. le label de violet de Galmi. Sinon, euh, vous, n'êtes pas sans savoir qu'il y a des pays, il y a même en Europe, ici en Afrique, qui ont courtisé ces, ces, ces labels-là pour pouvoir nous soutirer ce label-là, mais grâce à vraiment la ténacité, à la ben, bonne volonté des acteurs de la filière oignon mhm. et de notre État, nous sommes arrivés à récupérer ce, euh, label mhm. violet de Galmi. M. mm Kadri, vous êtes aussi un euh, producteur d'oignon. Oui. Et à quelle période euh, de l'année la culture de l'oignon est pratiquée et quand est-ce qu'interviendra donc la récolte Oui, donc il y a trois saisons. La première saison euh, commence euh, de décembre, janvier, février. Mhm. Donc elle est récoltée en mars. Mhm. Et la deuxième est cultivée de avril. Mhm. Avril, mai, juin, juillet. Et la troisième qui est très peu, c'est celle qu'on appelle euh, la, saison de pluie. Hein, la saison de pluie qui est très très minime parce que les paysans sont préoccupés par leur champ. Donc cette période-là commence à septembre, octobre, novembre mhm. et elle finit en, novembre. Mhm. Hein? Ça s'appelle euh, euh, saison hivernale. Sinon, toute l'année, vous voyez, quand, vous rendez compte, toute l'année au Niger, on cultive mhm. l'oignon. Par ailleurs, en tout cas, moi, je ne sais pas un pays qui a trois récoltes, qui a trois saisons, si ce n'est pas au Niger. En tout cas, à ma connaissance, c'est une seule fois qu'il récolte. Mhm. C'est maintenant bientôt le Nigeria a commencé à faire deux, mhm. récoltes. Mhm. Donc, euh, comme euh, nous sommes les grands frères du Nigeria dans ce compte, euh, c'est dans ces thèmes-là seulement que nous sommes grands frères au Nigeria. Nous entamons à présent la deuxième partie de ce forum consacré à la commercialisation de l'oignon. Isaac Kadri président du comptoir de Niamey. Quels sont les acteurs euh, qui interviennent dans le système de commercialisation de l'oignon au Niger Par exemple, la Chambre de commerce. Et surtout, l'État nous a aidé beaucoup, donc on, remercie l'État, mm-hmm. nous a beaucoup aidés et on remercie toute la structure qui nous aide par rapport à notre objectif. Mm-hmm. Moustapha Al-Kadri, quels autres acteurs interviennent dans le système de commercialisation de l'oignon au Niger oui, en dehors des, commerçants, des exportateurs, des transiteurs que je vous disais tantôt, il y a aussi les, facilitateurs, c'est-à-dire que l'État en premier lieu, mhm. il y a aussi euh, les PTF, les partenaires techniques et financiers, mhm. euh, qui sont là, et n'attendent que vraiment nos, propositions mhm. pour nous appuyer et nous aider. Et quel est le rôle, par exemple, de chacun hein, de ces acteurs dans le système Oui, euh, le rôle de chacun, par exemple, pour les paysans, euh, euh, c'est de produire mhm. dans les normes de qualité. Mhm. Ce que le commerçant doit faire, mhm. c'est d'acheter pour que le, au prix en tout cas normal, au prix normal pour que le producteur gagne quelque chose. Le rôle de l'État, c'est de vraiment s'occuper des problèmes de, problèmes de, que nous rencontrons. Mhm. Et le problème des partenaires techniques et financiers, mhm. c'est de nous appuyer dans le financement. Mhm. Oui. Et euh, quels sont les pays de destination Oui, euh, pour le moment, euh, on peut garder en mémoire le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, et le Nigeria, parce qu'il y a des moments où euh, nous exportons vers le, Nigeria et vers le, Cameroun, mhm. vers la, Guinée équatoriale, mhm. et vers euh, aussi euh, le Gabon. bon, c'est un peu partout, parce que comme je le disais, nous avons des départs mhm. vers l'Europe vers les États-Unis, mais malheureusement pas à partir du Niger. Le violet de Galmi est parti à partir d'Abidjan ou de, de Dakar elle est partie vers les États-Unis ou l'Europe. Isaka Kadri comment se fait la commercialisation de l'oignon à l'échelle nationale et internationale avant donc euh, d'écouter Moustapha Kadri. Ok, la façon qu'on fait la commercialisation, c'est simple. Mhm. C'est deux fois, c'est le gens qui vient. Mhm au niveau de nos cultivateurs pour acheter. Mhm. Et deux fois, c'est notre même cultivateur qui prépare leur sac mhm. parce que c'est simple pour faire la, la conversation d'oignons. Mhm. Moi, moi, je prends ça comme c'est simple parce que tu vas juste acheter ta sac, tu vas acheter ta chapeau, juste et surtout maintenant pour le taxe. c'est se diminuer. Donc, tu vas juste euh, payer euh, tes transports. euh, surtout maintenant, nous commerçants qui sont ici maintenant, et ils aiment aller au Ghana, Côte d'Ivoire mhm. et Bénin. Mhm. Donc, euh, moi, pour moi, je prends ça que c'est simple, c'est très mhm. simple. Donc, euh, c'est ça que je veux dire. Mustapha Kadri Comment donc se fait donc la commercialisation du l'oignon à l'échelle nationale et internationale oui, à l'échelle euh, nationale, les commerçants euh, sont, comme je vous le dit, autour du comptoir. Mhm. Ils fixent leur prix. Mhm. et ils demandent, voilà, à telle période, mhm. de telle période à telle période, ce que nous allons vendre nos oignons. Et pour ce qui est de l'exportation, ça c'est des transitaires qui font leur formalité au niveau de la douane. Et aussi... Euh, au niveau des licences d'exportation. Parce que euh, l'oignon n'a pas de licence. Il n'a qu'un bon d'enlèvement. Ce Ces bons d'enlèvement-là, c'est ça qu'on appelle la licence. Parce que tant que vous n'avez pas ce bon d'enlèvement, le comptoir ne, vous reconnaît pas. sur le bon d'enlèvement, vous avez le, le poids d'abord, le prix, au jour le jour mhm. acheter mhm. le prix de l'oignon. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons vous dire en 2019 ou en 2020 mhm. ou en 2017 voilà les quantités qui sont sorties du Niger, voilà la valeur de cette quantité-là. Et par transitaire ou par exportateur, nous pouvons vous dire qui a transporté quoi et il a fait sortir quoi. Donc au niveau des comptoirs, c'est au niveau des comptoirs que ça, ça se réalise. Donc là, vraiment, c'est des gens, des fois, ils envoient leur argent auprès des parents, amis et connaissances pour faire la transaction, mhm. euh, euh, pour faire la transaction au niveau des autres pays. Mhm. Mais sinon, ici au Niger, euh, ils font ça vraiment, comme on mhm. le dit, joulet welki. elle Mais c'est ce que nous voulons arrêter, parce que nous voulons organiser l'achat, la vente, tout au niveau de du comptoir. Mhm. Mais est-ce qu'il y a des tests qui réglementent donc la commercialisation de l'oignon au Niger Oui, mais c'est comme tout le commerce du Niger. Le commerce du Niger est réglementé, donc mhm. euh, euh, ne peut être commerçant que celui qui est en règle. Mhm. même chez nous, ne peut être euh, exportateur d'oignon ou transitaire de l'oignon ou transporteur de l'oignon. Vous ne pouvez pas transporter l'oignon tant que votre camion n'est pas en règle. Vous voyez, donc c'est-à-dire que c'est les mêmes règles qui régissent euh, mais seulement cas par cas, qui mhm. résiste mhm. en tout cas le, commerce du Niger. Dès que vous êtes dans, une euh, chose, comment dirais mhm. euh, dès que vous êtes dans une entité, vous, savez ce que vous devrez faire pour être commerçant ou pour être transporteur, pour, pour être exportateur. Hein. Et quel est le niveau d'implication hein, de l'Observatoire hein, de la commercialisation de l'oignon oui, euh, euh, c'est-à-dire, on ne peut pas dire l'implication. L'Observatoire régional de l'Oignon en Afrique de l'Ouest et du Centre est organisateur de cette affaire. Mhm. Il organise les, mhm. les, producteurs mhm. hein, pour qu'ils produisent dans les normes de qualité. Parce que nous avons quatre normes au niveau du ministère du Commerce pour euh, distinguer l'oignon, hein, pour qualifier l'oignon. Nous avons quatre normes. Donc ces normes-là, nous demandons aux producteurs de les respecter. Et pour les respecter, on a l'itinéraire que le ministère de l'Agriculture a tracé pour avoir toutes ces qualités, toutes ces, euh, ces qualités de, l'oignon. Donc, euh, euh, moi, je dis que au niveau des, producteurs, il faut qu'on mette vraiment l'oignon dans les normes de qualité. Merci à Mustafa Kadri. Isaka Abdul Kadri, président du comptoir de Niamey. Quelles sont les actions menées donc euh, par euh, le comptoir en vue d'aider les producteurs dans la commercialisation de l'oignon Ok, donc euh, l'avantage du comptoir, donc maintenant par exemple, quand vous prenez, et comme le président a dit, mm. quand tu es au Ghana, donc tu connais personne au Niger. Mm tu peux venir au comptoir pour dire que tu veux venir pour acheter d'oignons. Donc là, c'est la comptoir qui est responsable de te chercher la qualité, les gens qui sont sérieux, tes chargements, mhm. jusqu'au embarquement, jusqu'au retour de tes, jusqu'au tes, camions, soit à la destination. Mhm. Donc euh, c'est ça euh, l'avantage de, de facilité que la comptoir peut faire. Mhm. Et deuxièmement, et Niamey, par exemple, quand vous prenez le, cas de comptoir de Niamey, Niamey, c'est un carrefour. Il y a des gens qui viennent au Ghana, il y a, il y a Abidjan, il y a un peu partout. Et donc, les gens sont là. Maintenant, si vous connaissez personne à Galmi, donc vous pouvez contacter le comptoir de Niamey pour dire, moi, j'ai besoin de 10 camions d'oignons. Mhm. Donc, comment je vais faire? Donc là, comptoir peut t'aider. Et encore, le plus encore, c'est quoi l'avantage Maintenant, quand vous avez fait votre chargement au niveau de comptoir, encore, c'est au niveau de comptoir que vous avez fait votre déclaration à la douane, c'est au niveau de comptoir que vous avez fait toute votre formalité, même le bon que le président est en train de dire, c'est au niveau de comptoir que tu vas prendre ça. Donc, euh, toutes ces formalités, ça doit faire au niveau de comptoir. Donc, une fois fini cette formalité, donc tu es libre. Et là, le grand avantage de comptoir, maintenant, quand tu fais tes chargements sur Ghana, maintenant, quand tu veux partir aux frontières à Torodi, quand un douanier ou bien quelqu'un te dérange, tu as droit d'appeler le comptoir pour lui dire que moi j'ai un petit souci ici. Mhm. Donc ça, c'est l'engagement du comptoir, Inch'Allah, que ton souci va se gérer. Mhm. Donc voilà. Abdelkadri, quelles sont les actions menées par euh, l'Observatoire en vue d'aider les producteurs dans la commercialisation de l'oignon au Niger, au Niger et à l'international oui, euh, donc les, dispositions prises, par exemple l'État qui a pris Zélecaf. Mm euh, c'est vraiment euh, bienvenu pour, pour Loignon. parce Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, avant Zélecaf, nous, nous payons 90 000 par camion. Mais aujourd'hui, tout compte fait, on a réduit mhm. à 56 000 56 000 par camion au lieu de 90 000. Mhm. Donc vous vous rendez compte, euh, on a eu cette réduction-là. Hein? Donc euh, moi j'ai dit que tout ce que nous allons faire, mhm. c'est de continuer à nous organiser. Mhm. Euh, on va continuer. c'est difficile, hein, mais je demande aux uns et aux autres de prendre la patience en main. Parce que cette affaire, comme je le disais, depuis 2000, on est là-dedans. Ça fait 21 ans. Hein, donc il faut qu'on prenne un peu de patience, ça va venir. Mhm. Quand on regarde en arrière d'où est-ce que nous venons et aujourd'hui où est-ce que nous en sommes, moi je pense que euh, euh, l'avenir est très radieux. Mhm. Avez-vous enregistré des résultats encourageants Oui, les résultats encourageants, nous, nous sommes structurés d'abord, comme je vous l'ai dit, du paysans. Mhm. Hein, euh, en passant par le national et l'international, nous sommes organisés. Ça, c'est déjà un acquis. Parce que d'ici, je peux parler à un Gabonais pour savoir le prix de ses oignons. Mhm. D'ici, je peux parler à Paris pour savoir le prix des l'oignon à mhm. Paris. Mhm. Moi, je pense que c'est déjà euh, un bon travail. Hein, donc, c'est encourageant. oui, oui. Isaka Abdul Kadri, président du comptoir de Niamey. Comment peut-on estimer le prix du sac de l'oignon au niveau local et à l'exportation Oui, quand vous prenez ici à Niamey, oui. Euh, le comptoir est là, donc euh, il y a un, secrétaire permanent qui est là. Mhm. Donc euh, lui aussi, il a de contact aux gens. Mhm. et, quand vous prenez à Galmi, on, a, on a encore une comptoir qui, qui est à Tsarnawa. Mhm. Et donc ça aussi, on peut demander. Et surtout, le prix d'oignon, c'est simple. Comme maintenant, aujourd'hui, dès que tu te réveilles, les gens peuvent te dire qu'aujourd'hui, le sac, c'est à 20 000 francs. Et après, demain, les gens, c'est-à-dire quand tu es dans cette structure, mhm. c'est pas la fin de te fatiguer, hein. mhm. parce que tu es plus proche des cultivateurs mhm. et tu as encore plus proche de commerçants qui vendent ça, surtout en détail ou en gros. Mhm. Mhm. Donc ça, c'est simple pour avoir le prix de sac d'oignon. Maintenant, quand vous prenez, eh, par exemple, deux semaines, eh, le cas de Galmi, quand l'oignon a commencé de chuter, le président, on a été à Galmi pour parler aux gens parce qu'il ne faut pas que ces genre de choses rentrent. Donc, on a fait un truc euh, entre nous et les cultivateurs, une union, pour, pour qu'on puisse euh, maintenir le prix, pour que le cultivateur soit à l'aise, pour que l'acheteur soit à l'aise. Donc, euh, tout ça là, c'est simple de, savoir. Merci. Moustapha Kadri, vous êtes aussi un producteur douanier. Comment peut-on estimer le prix du sac de l'oignon au niveau local et à l'exportation Oui, euh, euh, au niveau local, mm-hmm. les, études nous ont démontré que sans mettre le mécanisme, c'est-à-dire vous puisez l'eau avec la puisette, mm-hmm. vous mangez du gari et vous, puisez l'eau avec la puisette, mm-hmm. le, prix de revient, même si vous prenez euh, la fumée de vos bétails pour amener au champ mhm. ou de vos poulets pour amener au champ, ce sac-là, on a estimé, il vous revient à 12 000 francs. Mhm. Donc, si vous les vendez à 8 000, à 10 000 ou même à 4 000, vous vous rendez compte de cette perte. Oui, le sac de, de 5 kilos, là, le sac, de 5 kilos, mhm. vous revient à, à, 12 000. Mhm. Ça, c'est son prix de revient, mhm. sans tenir compte des mécanismes de, comment dirais l'engrais, les, euh, les pesticides, les, tout ce qui accompagne. Mais que ce soit vous seul travailleur, vous seul le propriétaire de l'oignon, vous seul le producteur de l'oignon, vous le produisez à un coût de revient de 8 euh, 8000 francs le sac. Mhm. Donc maintenant, nous sommes en train de lutter pour que ces gens se comprennent. Parce que, euh, comme on le dit, ventre affamé n'a pas mhm. d'oreille, mhm. n'est-ce pas Donc nous sommes en train de lutter pour voir comment euh, valoriser ces prix-là. Comment valoriser ces prix-là au lieu de vendre à moins de, de 12 000, voir un bénéfice de 2 000 à 3 000 francs par sac pour les paysans. Donc cela veut dire que vendre l'oignon à 15 000 francs, c'est ça notre objectif. 15 000 francs, pas moins de 15 000 francs le sac. Si on veut que les paysans gagnent quelque chose. Donc nous sommes là-dessus. Euh, en tout cas, l'avenir surtout de la Sotraco, de cette société de transformation et de commercialisation du euh, nous promet qu'il y a vraiment cet avantage que nous pouvons tirer. Isaac Abdul Kadri, est-ce que ces prix varie-t-il en fonction des saisons oui, mais ça dépend parce que, eh, comme ce que le président a dit, quand vous mm-hmm. prenez janvier, février, mm-hmm. mars, ça gonfle. Mm-hmm. Et quand vous prenez eh, avril, mai, juin, ça descend. Et quand vous partez encore le dernier décade, le, dernier trimestre de l'année, et ça aussi, ça gonfle. Le prix, ça gonfle. Donc, euh, on peut dire que eh, deux fois, mhm. eh, le prix, ça maintient, mhm. et deux fois, le prix, ça bat. Mhm. C'est pour ça que lui, le président, il dit qu'on est en train de lutter pour que le prix, ça ne Parce que le coopératif a fait une étude, comme ce que le président vient de dire, qu'il ne faut pas que ça descend aux 12 000 francs. Mhm. C'est-à-dire le 12 000 francs, ça c'est comme si tu n'as rien eu, il n'y a pas de bénéfice. Mhm. Il n'y a pas de bénéfice. Nous, on souhaite que si à 12 000 francs, c'est ça le, plafond, mhm. nous, on veut que ça parte jusqu'au... Parce que quand vous prenez en 2005, 2005, 2006, 2007, on vend le, sac là à 5 000 francs. À 5 000 francs. Donc maintenant, quand vous prenez que, eh, lui, le président, ils ont fait même une étude que il ne faut pas que ça, ça dépasse à 12 000 francs. Mhm. Donc, ce euh, c'est pas bon. Mhm. Président Mustafa Abdul Kadri, existe-t-il des failles dans la commercialisation de l'oignon Oui, dans la commercialisation de l'oignon, il existe des failles parce mhm. que. Euh, euh, d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le producteur. Hein, il, n'a pas ventre affamé, n'a pas doré. Donc c'est le producteur. Eux, même si la coopérative, même si les structures, euh, nos structures parlent, mhm. hein, elles ont des difficultés mhm. hein, à accepter parce que euh, ils ont le, produit entre les mains mhm. hein, et, et, elles ne peuvent pas euh, dormir avec une faim en famille. Voilà pourquoi nous, nous les en voulons pas. Nous demandons euh, euh, euh, au futur mhm. hein, dirigeant du Niger mhm. hein, de faire comme l'a fait le feu mhm. Tanja. Hein, le feu Tanja pour le, le, le, Nébé le était à vil prix ici. J'étais 3 000, 4 000 de sacs. Quand elle a étudié qu'il fallait acheter le Nébé à 25 000 francs, tout le monde s'est rouillé pour, pour produire de, de, Donc, L'oignon, nous souhaitons mhm. qu'il ait des prix plafonnés mhm. que nous ne devons pas vendre. Et pour qu'il ait des, prix plafonnés, mhm. le PVN ne peut pas garder l'oignon. Il faut des magasins euh, spéciaux pour garder l'oignon. Donc, c'est des nous mettre ces magasins-là, de faire ces magasins-là. Nous avons des architectes, mhm. nous avons des techniciens, et nous avons l'énergie qui peuvent savoir si la, la condition, euh, l'air conditionné, mhm. euh, l'atmosphère dans, dans, le magasin, mhm. on peut contenir l'oignon pendant combien de temps sans qu'il y ait pourriture aucune. Donc voilà, ça c'est un cri de cœur que nous lançons vraiment pour les futurs dirigeants du Niger, Qu'ils aient un œil un œil sur l'oignon et qu'on puisse vraiment euh, euh, avoir le prix de notre souffrance. La troisième partie euh, du forum est consacrée aux avantages et difficultés liées à la commercialisation de l'oignon. Et je commence par Isaka Abdul Kadri. Isaka Abdul Kadri, quelles sont les contraintes liées à la production, la conservation et à la commercialisation de l'oignon euh, le contrainte euh, de conservation d'oignons, mhm. comme ce que le président a dit, c'est jusqu'à là, mhm. on n'a pas eu. Et moi, en tant que président de comptoir, mhm. jusqu'à là, moi, je n'ai pas eu une idée comment je peux garder mon oignon. Mais je sais, quand on fait une magasin, bien comme ce qu'il vient de dire, on a des architectes, on a des techniciens donc ça, c'est le travail des architectes et des techniciens. Mhm. C'est eux qui vont nous dire, voilà quel genre de magasin qu'on mhm. peut faire pour garder notre marchandise. Mhm. et, et, voilà la façon, parce que quand vous prenez le cas de Madawa, il y a des gens qui ont fait un truc, euh, euh, comment ça s'appelle, qui ont fait ça. C'est dans ça, en Borco, c'est dans ça qu'ils conservent l'oignon. Mais avec tout ça là, n'arrive pas de vendre ça comme eux le veulent. Mhm. Parce que quand vous prenez, ça ne dépasse pas un trimestre. Mhm. Donc, et quand vous prenez maintenant, on est en euh, mars, avril, mai. Mhm. Maintenant, mars, euh, avril, mai, là, ça, ça rechute. Si tu veux gagner quelque chose de là, il faut trouver novembre, octobre, décembre. Donc, d'ici là, ça va faire plus de 3 à 4 mois. Donc, si, vous, si jusque-là, on n'a pas eu une bonne... Euh, là où on peut déposer notre marchandise, donc là aussi, on est toujours dans les difficultés. Voilà. Fablou Kadri, quels sont les vrais problèmes euh, auxquels est confronté l'Observatoire Oui, l'Observatoire est confronté d'abord aux problèmes mhm. des producteurs. Mhm. Les producteurs mhm. qui produisent et qui ne savent pas où stocker. Donc le stockage là, c'est un problème. Mhm. La conservation. Toujours au niveau des, producteurs, euh, nous avons un temps eu le caïman, mhm. la centrale d'achat train agricole. Mais aujourd'hui, cette caïman-là est partie. Elle a disparu. On l'a fermée mhm. pour des raisons que le paysan ne peut pas vous dire. Et nous souhaitons que cette structure-là soit réanimée, soit vraiment organisée par d'autres éléments. Sinon, je ne peux pas comprendre. Avant la création du caïman, le, producteur achète euh, l'engrais à 30 000 francs. Quand le caïman est venu, le prix revient du sac hein, était revenu à 27 000. Et le feu Tanja, paix à son âme, a fait en sorte pour dire que nous allons payer 50%, c'est-à-dire 13 500. Et tout le monde le au Niger. Le prix de revient du sac, c'est 50% que nous payons. Et nous, nous ne savons pas, nous ne comprenons pas, parce qu'on ne nous a rien dit. On dit que seulement on laisse ça au privé. Non, le privé, aujourd'hui, le sac est à 25 000. Et c'est pas tout paysan qui peut acheter un sac à 25 000. Et je suis sûr et certain d'ici, connaissant commerçant comme je suis un commerçant aussi, mhm. on va revenir à 30 000 sinon plus. Et quel impact donc euh, ces contraintes peuvent avoir euh, sur les producteurs Oui, c'est, la production, elle, va diminuer. Elle va diminuer. Vous avez dit de 5, 500 000 tonnes, aujourd'hui nous sommes à 1 million. Mais je vous l'affirme que si ça continue mhm. euh, sans engrais, nos paysans vont se décourager. Il faut les encourager. Mhm. Sans intrants, on ne peut pas. Euh, euh, l'année prochaine, moi je suis sûr, vous allez sentir que si ces périspécies là continuent, vous allez voir que nous allons chuter peut-être à 600 ou 700 tonnes, 700 mhm. 000 tonnes. Ça, c'est à prévoir. Donc, pour finir, Mustapha Abdul Kadri, quels sont les défis euh, et les perspectives Non, euh, les, défis, il faut vraiment, comme je l'ai dit, accompagner. Mhm. Accompagner la filière. Il faut l'accompagner. On ne demande pas de diriger. Mhm. Nous, on sait diriger notre, notre filière. Mhm. On veut seulement que les partenaires techniques et financiers, que l'État l'État nous accompagne. Cela veut dire que euh, c'est à nous d'amener nos problèmes et nos solutions. Ils vont nous aider à appliquer la solution. Voilà ce que nous cherchons. et, sinon, tous les restes là, euh, je vous dis depuis 2000 hein, que nous sommes dans cette organisation. Euh, à l'international, on nous en veut. Ils veulent que nous, que nous aidions. Si j'ai dit que le Nigeria, nous sommes grands frères, dans, ces choses-là, ils vont nous entendre. Ils savent de quoi je suis en train de parler. Nous sommes en train de les organiser. Mhm. Ou ici au Burkina, ils font pieds et même pour qu'on les organise comme nous, nous sommes organisés. Mhm. Mais pourquoi ici au Niger, on ne nous accompagne pas Voilà ce que nous cherchons, mhm. c'est de nous accompagner et non de nous diriger. Oui, oui, on, sait ce qu'on fait. On sait qu'est-ce qu'il nous faut. Donc vous n'avez pas le soutien de l'État L'État ne vous aide pas dans, dans ce... soutien, mhm. ça je vous le dis. Mhm. Pour le moment, mhm. depuis Tanja, en passant par Salou par Mohamed Youssouf, ça, notre filière a eu son soutien. le soutien moral, ils nous ont donné ce soutien moral-là. Vous vous rendez compte Donc, ce que nous cherchons avec eux, c'est vraiment euh, de parler. Quand je prends l'exemple de l'usine qui nous a quittés, parce que l'usine nous a quittés. On est parti à Paris. Comme j'ai touché cette bouteille-là, j'ai touché l'usine qui devrait venir au Niger. Pour un rien, pour un, pour rien, mhm. que le, ministère devrait nous donner une lettre simplement de confort à l'appel. Euh, le, ministère a fait que c'est la tête d'un tel. Si on fait, c'est la réussite de Mustafa Kadri. Ils ont refusé et je vous l'affirme, je, je le dis haut et ici, dans ce dans studios-là, l'usine est partie au Sénégal. Tout le monde le sait. Elle est là-bas au Sénégal. L'usine est au Sénégal. Cela veut dire que des petits trucs comme ça, là, hein, moi j'aimerais que euh, vraiment nos dirigeants les futurs dirigeants. Je ne dis pas un tel ou un tel, mhm. mais les futurs dirigeants, il faut qu'ils fassent attention. <laughs> merci Moustapha. Nous allons à présent écouter Isaka Abdulkadri, président du comptoir de Niamey. Quels sont donc euh, rapidement les défis et les perspectives le défi, c'est comme ce que le président vient de dire, c'est au niveau de cultivateurs, non mhm. pas là où peut déposer leurs euh, marchandises. Mhm. Ça, sérieusement, c'est un grand défi pour nous. Parce que maintenant, moi, présentement, j'ai une idée. Si on peut avoir, parce que maintenant, le président vient de nous dire qu'il y a une usine, tout ça là. Si on trouve une usine qu'il va nous couper l'oignon, nous mettre ça, comment dans le sardine, amener ça, ça, encore, ça va nous aider. Et si encore on a eu euh, un magasin bien organisé, bien propre pour déposer le marchandise pendant euh, deux à trois mois ou bien cinq mois, ça aussi ça va nous arranger. Mais tout ça là, si on n'a pas ça, donc euh, on est toujours dans le défi. Hein, nous sommes donc euh, au terme de ce forum du studio Kalangu sur la production et à la commercialisation du l'oignon au Niger, défis et perspectives. Nous avons eu donc euh, comme euh, invité euh, Isaac Abdelkadri, président du comptoir de Niamey. Mustapha Abdul Kadri, président de l'Observatoire régional de l'Oignon Afrique de l'Ouest et centrale. Merci donc à nos invités euh, d'avoir accepté de venir euh, dans ce forum. Nous avons aussi bien voulu la participation du ministère euh, du Commerce qui, pour des raisons indépendantes, n'ont pas donc répondu à notre invitation. La présentation était assurée par Fatih Zakari. La réalisation Mustafa Ayouba et la technique Issa Lawali. Vous avez donc euh, suivi euh, nos invités par rapport euh, à cette thématique. Le Niger qui occupe la deuxième place au rang des plus grands producteurs douaniens d'Afrique de l'Ouest. Et malgré tout, il reste donc beaucoup de défis à relever.